on revient donc on revient fii si si réew mhm. euh, si actualité gis nañ que temps yi new yi ñu génn. am communiqué bi juste avant fête indépendance bi. Mhm. parce que euh, ñu wax ne que. Euh, ça portait un peu sur l'annulation de la manifestation bi prévoir le 3 avril. et ci biir communiqué beaucoup il était précisé que. Euh, la décision a été prise à la suite d'échanges avec de hauts gradés des forces de défense et de sécurité. Tout le monde dire pas, mi nga xamante ne moom mooy yor bànqaasu communication armée def beneen communiqué pour ne yéen. Euh, ñi nekk ci politique bi de tout bord d'ailleurs la wax mm-hmm, mm-hmm. maanaam kujje gi ak ak pouvoir bi ñun armée bi génnee leen ñu si mm-hmm. seen i seen i débat mais li jaaxal nañu mooy que euh, balaay communiqué boobu di ñëw seen communiqué moo jiitu fi ngeen wax ne que yéen li tax ngeen ngeen ngeen euh, renoncé mooy que da ngeen am ay waxtaan ak ay haut gradé Euh, des des forces de qui loolu nag mu indi woon benn jiixi jaaxa ba tax pas def précision boobu dont sax yéen ñëpp politiciens yi de tout bord la koy kii mais euh, lolo loolu dafa indi woon tout jiixi jaaxa ñu bëggoon déjà yow xam ban lecture nga am ci ci lolo et qui euh, communiquer boobu nga xamante ne DIRPA DIRPA jot na ko def pour mettre communiquer bi xëy na ma préciser ni yeewi askan wi la woon yeewi askan parce que ben entité la. non justement c'est yeewi askan wi ci biir yeewi askan wi kon man personnellement je n'étais pas impliqué dans cette conversation là donc man euh, wax ni qui moi waxante une coalition coalition mais ah je je dois te je ah, ah. un peu mhm. parce que quand on dit on parle de coalition donc mhm. coalition décision Je dois non c'est une décision qui a été c'était quoi l'esprit l'esprit de ce communiqué là non ce que je sais c'est que nous on avait planifié de faire une une, manifestation le 3 Nous ce du fi ndax ñu avons manifestation le 3 avril Nous avons fait ñu fête nationale fête au Sénégal, mais nous avons fait dañu toll en deux semaines on avait mis en prison plus de 600 jeunes militants opposés et activistes Nous avons fait mu situation qui xam bi facteurs. facteur wax ci loolu moo waraloon ñu ni woon dañuy def manifestation pour le toit. maintenant manifestation elle a été annulée je duma la fen je dois te dire que jusqu' je sais pas qui a discuté avec qui xëy na nag waroon naa ko laajte balaa may ñëw fii. waaw waaw xëy na su ma ko xamee naa la wax la ko mais pour l'instant, instant je peux pas te dire. justement loolu. yaa ngi bokk ci ci ci ci Yewwi Askan Wi coow loolu am xanaa laajte woo. ah c' est de ma faute. Mm. j'ai fait une erreur j'aurais dû demander. une erreur une faute avouée. Maintenant, il y a un grand 5, que l'homme euh, la stabilité.